Mercredi 6 novembre 2024, auditeur auditrice du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Ali Moukela alias Seno et ce matin, je suis accompagné de Fanta Chamsou. Bonjour Fanta, comment vas-tu Je vais bien Seno. On fait aussi un coucou à l'équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Adama Dawaki à l'édition et Amina Hassan à la technique. Alors Seno, quel est le programme du jour comme d'habitude, Fanta, nous allons débuter avec euh, le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire euh, sur l'environnement, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie écho des régions, nous allons faire un tour à Koni, région Tawa, pour parler de la baisse du prix du niébé. Et comme invité ce matin, nous recevons en direct Mamaniro Abdulaziz, le promoteur du Festival international Riraniami. Chers auditeurs, comme annoncé, nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Rafika Ataer. Bonjour Rafika. Bonjour c'est nous. Bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors pour le flash de ce matin, le chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani, a signé hier un décret portant déchéance de la nationalité de cette personne dont l'ancien ministre Hassoumi Oudou et Al-Kash Al-Hada pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi. Selon le communiqué du gouvernement, ces personnes sont soupçonnées de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique entre autres. Un comité ad hoc chargé de réfléchir sur les conditions d'exercice des activités des médias privés au Niger a été mis en place hier par le Premier ministre Ali Imam Laminzen. Ce comité a pour mission d'examiner les préoccupations des médias privés et les défis auxquels ils sont confrontés. Il est chargé, entre autres, de faire le relever les difficultés qui empêchent les médias à mener convenablement leur mission de service public, également chargé de proposer des mesures et des solutions durables qui permettent aux médias privés de devenir des entreprises viables, leviers de développement. Le comité peut faire appel à toute personne dont il juge les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission et dispose d'un délai de 10 jours à compter de la date de sa mise en place pour déposer les conclusions de ses travaux. Aujourd'hui, c'est la 22e journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflit armés Instaurée par l'ONU en 2001, la journée vise à alerter sur les conséquences catastrophiques des conflits armés pour l'environnement et à promouvoir des solutions. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, au moins 40% des conflits internes de ces 60 dernières années sont liés à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agissait soit de ressources de grande valeur comme le bois de construction, les diamants, l'or et le pétrole, soit de ressources rares telles que les terres fertiles et l'eau. Pour l'ONU, il est particulièrement important que la protection de l'environnement fasse partie des stratégies de prévention des conflits et de maintien et de consolidation de la paix. Et c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup Rafika pour euh, toutes ces informations et bonne journée à vous. Merci Fanta. Alors, euh, chers auditeurs, comme annoncé, notre invité du jour, c'est Maman Hiro Abdulaziz, celui que l'on nomme le président de la République. Il est le promoteur du Festival international Riraniami Bonjour Hiro. Oui, bonjour Fanta, bonjour Seino. Bonjour. Euh, bonjour chers auditeurs et auditrices. Et alors euh, Hiro, ce matin nous allons parler de ce festival qui est justement à sa sixième édition cette année. Et eh oui Fanta, avant de donner la parole à notre invité, écoutons d'abord ensemble ce morceau intitulé Mandat de conscience de l'artiste reggaeman Black Muller, une façon de permettre à nos auditeurs de bien s'installer dans cette émission. On écoute. le titre Mandat de conscience de Black Muller est une œuvre profondément engagée qui dénonce avec force l'assassinat du général Baré Menassara, ancien président de la République du Niger. À travers ce morceau, Black Muller utilise le reggae comme un vecteur pour exprimer sa révolte contre cette tragédie historique. Sa voix puissante et ses paroles poignantes évoquent non seulement le respect dû aux figures nationales, mais aussi la nécessité d'une conscience collective pour éviter la répétition de tels actes. On a des consciences est aussi une invitation à la réflexion sur l'héritage politique et la justice au Niger. Les nous avons vécu la nouvelle obra cremar. des de Un président, c'est un président. On ne peut pas tuer un président comme un chien et asseoir l'injustice. J'accuse, j'accuse les auteurs de cette constitution qui ont trompé les peuple en plantant l'arbre de l'injustice juste pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Je rappelle, toute constitution taillée sur mesure ne pourrait répondre aux aspirations profondes du peuple. Et les auteurs de la constitution de 1999 en savent quelque chose. Ce sont eux qui nous ont appris les règles élémentaires du droit. Il est grand temps de réviser cette constitution parce qu'elle comporte, traîne et draine par son essence même l'impunité. Car l'article 141 de la constitution est un article satanique, diabolique. Moi je pense à un État démocratique, une constitution démocratique qui consacre un État de droit. C'est le mandat de ma conscience. Ce texte n'engage que l'auteur, l'artiste Black Melon. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter le titre Mandat de conscience de l'artiste Black Miller » En espérant que vous avez aimé, retour au studio à présent avec notre invité du jour, Maman Hiro Abdelaziz. Je rappelle qu'il est humoriste et aussi le promoteur du festival Rire Agname, débuté depuis lundi. Alors, euh, le président de la République. Ouais. Est-ce que vous pouvez euh, partager avec nous comment est né ce festival euh, Rire Agname, Disons que j'avais déjà commencé mon premier one-man show en 2012. J'ai joué une première fois. Puis 2014, j'ai joué encore euh, à la présidence de la République. C'est l'histoire vraiment des fadas qui est racontée à travers le spectacle. Parce que le stand-up, c'est raconter le vécu quotidien d'une manière comique. Et j'essayais de faire, euh, après la présidence euh, de la République, je fais Africanité où je parle de notre origine et de cette, ce racisme qui ne dit pas son nom que vivent les Africains qui vivent en Europe. Mhm. Et après le spectacle, il y avait quelques Bon, avant le spectacle, on dit même maman a fait spectacle à 3000, il a tapé le poteau. <laughs> Toi, tu vas pas faire spectacle, ça va réussir. Et moi, je fais ça marcher. Puis après, il y avait des gens qui, qui parmi le public, qui disent Non, il n'y a personne qui fait ça au Niger. je ne suis pas le seul Nigérien, quoi. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas un sorcier. Et on s'est décidé avec l'équipe de qui est l'association Bafouné Digo, Miroir de la Vie, d'essayer de créer des ateliers de formation et spectacles d'humour. C'était vraiment l'idée de base. On a fait un petit dossier, on a présenté au CCFN, euh, la production a trouvé ça très intéressant comme projet et ils nous ont demandé ce qu'il nous faut pour que ça soit ouvert international et qu'on ait plus de stagiaires avec deux ateliers de formation animaux. Mhm. On a dit bienvenue, on a saisi l'opportunité. J'ai eu la chance de faire des formations, de suivre des formations en écriture de projet et on l'a fait. Voilà un résumé pour ne pas rentrer dans les détails. <laughs> un truc, comment on a réussi à avoir un projet, c'était juste vraiment au départ. Pourquoi c'est lui seul qui fait le, ça Après, bon, écoute, on va faire un truc, on va changer la donne. Et, on et là, il y a un festival qui est né un festival est né. Et grâce à ce festival, on a formé les premiers stand upers du Niger. Mm. Je l'ai dit à haute voix vraiment parce que c'est ça. <laughs> le stand-up nigérien est né à partir de Riranyami. Mm. Et aujourd'hui, nous sommes à la sixième édition. Grâce à Dieu. Ok, Président, vous venez de le dire. Euh, si on comprend bien, vous étiez le premier euh, Nigérien a commencé déjà à pratiquer euh, ce genre. À part Maman. À part Maman. <laughs> Lui, lui c'est l'ancêtre. D'accord. il le faisait, mais il ne le faisait pas ici. D'accord. Et il venait, je pense que chaque année ou chaque deux ans, il venait faire un spectacle ici, soit à l'hôtel Gawai ou bien au Palais des Congrès ou bien à l'Olympia. Hmm. Alors, le festival est aujourd'hui à sa sixième édition. Quels ont été les principaux défis rencontrés depuis sa création et comment avez-vous réussi à les surmonter Les défis. Déjà, il faut notifier que Rira Niamey, depuis que le, festival est né, il y a un monsieur qui m'a demandé ce matin, c'est un festival de français En fait, c'est un festival qui, qui, a, qui, a, été soutenu pendant ses premières éditions par euh, beaucoup plus euh, la coopération française. Puis après, bon, là aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et le ministère de la Culture n'a pas l'argent. Il finance à travers le fonds DAC. Et Rira heureusement, a aussi bénéficié de ça. Ça nous donne un peu la gueule de dire que oui, le ministère a soutenu un peu. Euh, parce que le vrai problème qu'on a, c'est l'argent. Si on a l'argent, on a aucun obstacle n'est irrémédiable. On gère tout. On gère tout et on arrive. Euh, Rira à sa première, de sa première édition aujourd'hui à aujourd'hui, c'est des difficultés de transport, c'est des difficultés de d'hébergement. Mais grâce à Dieu, après six ans, ça, ça, devient plus facile. Ce n'est pas qu'on n'a pas ces problèmes, mm-hmm. on a ces problèmes. C'est des difficultés d'obtenir un visa. Vraiment, un visa pour un festival, c'est... Ouais, c'est vraiment très difficile. <laughs> vous l'avez fait et quand même. Merci Hiro. Avant de poursuivre nos échanges, nous allons marquer une petite pause pour écouter la deuxième chanson de notre sélection musicale. Et c'est parti pour le titre Amaria de l'orchestre Carnaval de Maradi. amarya dillallanta abokanta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana tawaye amarya iye nanaye aiye na nanaye amarya iye nanaye aiye na nanaye amarya iye nanaye amarya gide na hawaye kukan ki kukan bege kuka a yau murna ne ga amarya tana tawaye amarya iye na na nanaye aiye na yi amarya iye na na nanaye aiye na yi amarya iye na na nanaye ango kana shi sosai amarya ka tayo sako ce tana da manomi noma ka noma sannu wanda ji iyaka ta makwabtan kashe iye na na nanaye aiye na yi amarya iye na yi aiye ariye. Le titre Amaria, interprété par l'orchestre Carnaval, capture avec intensité le moment poignant où la jeune mariée fait ses adieux à ses parents. C'est un moment de séparation, de joie, mais aussi un moment douloureux, empreint de larmes, de tristesse et aussi de la joie, comme je l'ai dit. Aussi bien pour la jeune mariée que pour ses parents. Ce morceau souligne la rupture symbolique avec le foyer parental, marquant à la fois euh, la fin d'une époque et le début d'une nouvelle vie.

ta ce tana da manomi noma ka noma sannu banda ce iyaka ta makwabta in kashe iye na na yi aiye na na yi Voilà, retour au studio après cette pause musicale. Chers auditeurs, nous allons continuer l'entretien du jour avec notre invité, Maman Hiro Abdulaziz. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le promoteur du festival Rencontre internationale Rire à Est-ce qu'on peut parler alors du programme euh, de ce festival-là Le programme de ce festival, à partir du lundi, on avait commencé avec euh, une conférence débat sur le thème mm genre et équité. Euh, on a, dans l'après-midi, on a eu un thé débat. On est, euh, après, on a eu, ça continue, ce serait toujours ça. On a eu aussi les ateliers de formation dans l'après-midi en régie, humour, mixte. Euh, parce que cette année, la formation en humour, c'est une formation mixte et une formation spécialement réservée aux femmes qui, serait un projet intitulé Les Amazones du rire. Et ça va continuer jusqu'à la fin et nous aurons les débats tous les après-midi de 14h30 à 19h. Nous aurons un spectacle demain jeudi. Nous aurons un autre spectacle le 8, le grand spectacle de la, du festival le 8. ça sera où Ça sera au Centre culturel nigérien Mustapha Alassane. Le 9, nous aurons une sortie touristique le matin et le soir, nous aurons la restitution des ateliers Amazon Rire. Puis, dans l'après, euh, le lendemain, nous aurons une sortie à l'orphelinat Bon Samaritain, histoire d'aller échanger et découvrir d'autres univers. Alors, euh, président de la République, euh, nous sommes actuellement à la sixième édition. Quels sont les moments forts et les nouveautés prévues pour cette sixième édition par rapport aux éditions précédentes le moment fort des de Rira Niamey a toujours été l'été débat. Parce que c'est un moment où on dit, au début, c'était vraiment faire une heure de discussion maximum et puis c'est cassé. Mais aujourd'hui, l'été débat ne finit jamais. Deux heures de temps, c'est trop, c'est trop peu. Parce que c'est un temps qui permet à l'artiste humoriste et aussi à tous ceux qui veulent de venir poser leurs questions et en débattre avec les autres c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de permettre de discuter autour de, de, thèmes qui peuvent nous permettre de grandir, qui, mm. peuvent, grandissent l'homme. Et, et, ça a toujours été intéressant de telle sorte que chaque jour, souvent, c'est la discussion est tellement chaude que des fois, tu te dis, les gars là, ils vont pas finir aujourd'hui, c'est demain, on va. Et ça a toujours été comme ça. Mm. Au départ, c'était une seule fois par semaine. Après, on a dit deux fois. Mais là, on le fait 7 jours, tous les 7 jours du festival, mm. parce que le festival dure 7 jours. Très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ben, il nous reste quelques secondes avec vous. Un mot de fin à l'endroit de tout Mon mot de fin, c'est j'invite vraiment la population du Niger, de Niamey surtout, à soutenir l'humour. Aujourd'hui, on n'a pas de grands humoristes, des renoms, c'est parce qu'aussi, localement, la personne n'a pas pu s'imposer. On dit, il y a des structures qui font la promotion des artistes, pas, il faut travailler avec eux. Mais les structures ne travaillent pas avec toi si tu n'as pas la visibilité. Si chez toi tu n'es pas soutenu, on ne te fait pas monter parce que c'est votre soutien qui va faire de sorte que nous soyons euh, visibles pour les autres structures qui financent ou bien qui soutiennent le domaine soutenez l'art en général, spécialement Nimo. Inch'Allah, vous allez pas les regretter. Merci beaucoup, euh, président de la République. Euh, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci d'avoir répondu également présent à notre invitation et bon vent dans votre carrière. J'espère que les activités seront au rendez-vous pour cette sixième édition, comme vous venez de l'évoquer. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous et merci à Kalangu. On prend une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à la rubrique environnement de ce matin et nous donnons la parole au lieutenant Mamansani Lawali. Il est le secrétaire permanent de la commission foncière du département de Tessawa. Il nous édifie sur euh, le couloir de transhumance international qui traverse le département sur une longueur de 251,3 km à partir de la frontière avec le Nigeria jusqu'à Tanout, région des Anders. Il est au micro de notre correspondant Moussa Saleh depuis Tessawa. jihar tasawa wanda ya shahi birtila na farko dai zan sanar da mutane su san birtila sun kashe. kishi-kishi hal kishi uku e, akwai burtula wanda ake cewa na ƙasa da ƙasa e, wanda suke hitawa daga wata ƙasa su ratsu ƙasar mu kuma su huce su gaba akwai burtalin da kuma ke cira daga babban burtalin nan ko shi yaya e, ko shi wata mashaya e, sai sahu na uku na burtula wanda suke hitawa ko daga gari sai ni wata mashaya ko makiya ko ko wani daga gidan shi ya cira burtali ya tahi zuwa wata makiya ko mashaya a dokance akasari duka wannan burtuloli da ke da kwai in ce suna cikin matsala da ba karama ba musamman yawancinsu da an ci su watakila wanga babban burtalin na ƙasa da ƙasa shine wanda aka sama da ladalai shine dai wanda ake cewa yana cikin kwatamta kwaɗin nashi ko da yake shi ma yana cikin matsala sosai eh, saboda akwai wuraren da zaka gani ana cin shi duk diladilan da ke da kwai ko wani wurin ma ka gani dan diladilan an hwashe shi shi dai ga babban burtali wanda muke mazance na ƙasa da ƙasa ya eh, tsawon shi eh, kilomitar 251.3 ya taso daga iyakanmu da Najeriya daga wani yanki da ake cewa wani gari Ungojibo annan wajen yana halshe biyu akwai wanda in ya ratsa don gwamna mai tahiya ya bi ta wajen su banikin nan ya tunkari shine zai ta wajen Gurungau e kuma harshen guda shine wanda zai zo ya biyo ta wajen makiyaya kamun ya bi wannan tafkin da ake ce ma malali na baba haye daga nan wurin gashi nan yi arewa za ka can hawa can rijiya ta wadda ake cewa ta amazgala wadda ke iyaka tare da kasar tanu burtalin na biyu wanda dan kaɗan ne ke taɓa mu daga nan yamma na ƙasa da ƙasa shi ma na tasawa daga wajen balbaje ne ya ratso cikin ƙasar mai ya bi wajen kanan bakashe zai dan taɓa mana wajen daga nan yammacin tasawa daga nan wurin kuma sai shiga cikin ƙasa a su kuma yan age su ɗauke shi sai ta halittar iyaka da Najeriya. Shi wanda ya taso na farko babban bartalin na ƙasa da ƙasa in ya hito daga Najeriya kin kenan yana yana ratsa tasawa ya shiga can sai ya shiga ƙasar Tano kenan ya shiga can cikin ƙasar da Margu. Dangance da wannan matsaloli da ka bayyana kamar za mu isa sanin akwai wasu matakai da a yanzu kuka ɗauka domin ganin cewar an ƙara kyautata wannan bartalan wanda a yanzu suke fuskantar matsalar taɓarɓarewa. Ba lallai cikin matsalolin akwai na ɗaya wanda ake cin su da ake yi na biyu kuma matsalolin da ake fuskanta shi shine wannan diladilan da aka sa e, masu gonaki wanda suke karya su e, wasu kuma suna tuke su ma suna sake gusa su e, kuma matsalar da muke fuskanta shine ba akasari duka wannan burtalin na kasa da kasa mamaye suke da wannan hakkin na wanda shi ba su amfani da shi wanda ake ce ma tambun jaki shi burtalin shine ya zama wurin bin busashen kuma ana bi wuna ana dan kiwo a kan shi kenan dangance da wannan matsalolin da muka fuskanta to an daulale matakai e, na farko akwai zagaye akwai kwamitin hilaye na departament da ake cewa kofodep tare da haɗin gwiwa kwamitin hila na da'ira akwai kuma kira da muke yi ga masu hannu da shuni su ma muna neman tallafi a gare su e burtalin da Allah bai sa aka sa mai diladilai ba to muna nan muna diba da kamawa da'irori mu gani da ma'aikatan bariki yadda za a kirkiro su kundaye domin a samu damar na ɗaya inda ba daladalan a sa daladalan e eh, na biyu kuma inda ke da gurɓataccen hakkin na wanda ke hanawa a ci shi shi ma nan a samu masu hannu da shuni wanda za su dafa domin a yi yaƙi da shi don wurin ya zamana ingantacce hakki mai kyau ya hito kuma ya ba da bisashe damar amfani da shi wani bi rishin ruwa a kan hanyar ma yana sa bisashen su barbi eh, nan ma muna nema ga masu hannu da shuni hanyoyin da za a kakkafa wasu mashayar ruwa akan bisa wannan burtali na kasa da kasa wanda zai ba dabbobin damar bi wanda in sun zo kaga za su tar da ruwan sha su sha kuma su tafi su kansu makiyaya kan a ƙetara a riƙa bi wurin ma'aikatocin musamman abin da suka shafi ma'aikatar kiwon lahiyar dabbobi a diba lahiyar dabbobinku a muku allurai akwai wasu kartoci da katin da ya kamata a yi kan a shiga ƙasar makiyaye makiyaye ne ba mafaɗa wadace ba a kiyaye amfani da wasu kayayyakin da na ɗaya doka ba ta lamanta da su ba yau kai makiyayi ba hujja ba ce a cince ka tare da wasu kayan maye ko ko dauke da wasu makaman kenan wani abin zai faru a can ba kai ka yi shi ba mai ganin ka da wannan wasu makaman na faɗa kana iya ja ma kanka matsalar da za ta ce ma illa kuma shi masu busashe su kasance duk masu tahiya da busashen mutane ne wanda suka mallaki hankalin kansu a daina ba yara kankana ta da dabba wanda bai mahallaki hankalin shi ba ko akwai wani kira da ke gare ku zuwa ga su kansu ainihin masu kai da ke bakin birtilla haka eh sanin kowa ne amfani ya kawo sanin kowa ne gona kai ba a sake su ba kenan ne na ɗaya kiran da ke gare ni musamman fannin manoma a gaggauta gyara amfanin gona e kuma ina kira musamman su kansu ga kumjoyin makiyaya a rika sanar da danginsu da ke can dajin kiwo na arewa wace matsala yau muke fuskanta musamman makiyayanmu da ke nan kudu e za ka gani in ka kare aikin gonarka sai ka kiri wani makiyayinka da ke can arewa wane sabko da busashenka ka zo ka sa suna cikin gona kenan muna kira na ɗaya ga masu busashe matsayin ba a saki gona kai ba to kada a kuskura ko da gona ka ce ka sa dabba kuma akwai wasu tabi'o'i da mutane suke yi nan za ka gani suke sawa makiyaya ma in sun taho za ka gani wani mai gona in ya ebe amfanin shi ce mai mutum ya zo ya sabka cikin gona shi duk in banna ce ta abu to a tunkari hakuma mafi kusa domin a sami sulhun wannan banna da aka yi kuma doka abin ta da bisa harkar ɓanna. in an yi banna a shi a gano kan ai ramko haka ka'idar ta ce wanda aka ma banna da wanda ya banna sulhunta tsakanin su in sulhun bai yi ba sa'anan sai su tankari mai gari ko har su mafi kusa inda aka yi banna a nema a sulhunta su in sulhun bai yi ba sai a taimata takara ta gaba ita ce gidan sarki eh daga gidan sarkin nan ma tana yawa in sulhun bai yi ba sa'annan sai a tunkari gidan shari'a wanda kuma duk ko ina aka je in gidan sarki sulhu yayi to akwai takardar da ake cewa takardar sulhu sai a rubuta takardar sulhu eh a ƙarshe akwai kiran da ke gare ka ko za ka yi zuwa ga makiyaya da manoma in banna ta abku a rika bin hanyoyin da suke na sulhu a daina ramo gayya eh mutum ka daina ɗaukar hukunci da ƙashin kanka Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire environnement. Prenons encore une petite pause musicale avec cette chanson, La Difatou de l'artiste El Radik.

voilà, chers auditeurs, le titre La fatou de l'artiste rappeur nigérien El Radik aborde une problématique sensible et universelle. Les obstacles que peuvent rencontrer deux personnes qui s'aiment en raison des différences religieuses. À travers ses paroles, El Radik exprime l'incompréhension et la douleur face à un amour sincère qui se voit entravé par des considérations religieuses qui, selon lui, ne devraient pas dicter les destins de deux cœurs unis. C'est pas ta voix qui non la mienne. Je t'aime à l'infini. Après cette pause musicale, chers auditeurs, place à l'écho des régions de ce mercredi 6 novembre 2024 qui parle de la réduction du prix du Nébé à Kony dans la région d'Ottawa. En effet, la mesure de Niébé, communément appelée TIA, qui se vendait avant à 2250 francs CFA, se vend aujourd'hui euh, entre 550 francs CFA, voire 600 francs CFA sur le marché local de birni Et selon Ousmane Tiaman, membre de l'association des vendeurs de produits agricoles, cette baisse fait suite à un arrêté pris récemment par le gouvernement nigérien, celui d'interdire l'exportation de certains produits agricoles dont le Nibi. Asman Moussa Arzika, notre correspondant à Kony, nous en dit plus hein, dans ses reportages. A yanzu haka a cikin gundumar birnin Kwanne da ke cikin shahar Tattawa farashin wake ne ya sauka sosai a bisa ga kasuwa a daidai wannan lokacin na kaka sabanin kwanan baya watannin rani da suka gabata yayin da farashin wake ya yi tashin hadarin gwabran zabi a bisa ga kasuwa Usman Ciyaman ɗaya daga cikin jagorori da 'yan kasuwa masu saida da cimakar gona ya yi muna ƙarin haske akan wannan lamari. farashin wake bana Allah ya kawo sauƙin shi bisa ga wancan lokaci wanda ya huce tunda ka san ba raba ai wake ba wake ya barazana sosai tsakanin najeriya da nijar to bana ka gani allah ka mana shekara mai albarka ke ga nan gurgurdon hali ga nan ana sai ne haɗari da goma goma kwanan baya ranar da huce wake sai da ya kai tiya hajji ka biyu da arba'in da ishirin ka hanyar kai ma waken ma babu shi bali ma sai shi ma ka zuba abinda an don hwaɗo wake saboda sanadiyar da ba a shiga da shi Najeriya tun da kaga duk yawanci kwato da dan buhun shi da mina na duk Najeriya ne ake ko riba ko haɗuwa lokacin nan nan ga duk wanda aka sai wake ba kawai bai sai su sai ya kai Najeriya to kaga sanadiyar ba a shiga da shi ga hanan kuma dai wake shi na ta yi ƙasa ko wasu magidanta masu amfani da wake ta hanyar saye don ci da sayarwa cewa su kai wannan faduwar farashin wake a bana ya yi musu daɗi sosai saboda irin wahalhalun da suka sha a baya na tashin farashin wake a bisa ga kasuwa. Shi dangane da kwaɗa farashin wake sai mu ce to alhamdulillah ai abin godiya ne domin yau duk tsanani ba mai fatan samun tsanani. Yau ala kullu halin ko wadaci kake kana son sauki akan al'amari na ala kullu halin musamman abin da shashi ana abin masarufi da abin da ya kama da wannan. Sai mu ce godiya da yabo sun tabbatar mu Allah da Allah ta'ala kamar shekara mai albarka. Yau wake kwanan bayan baka manta ba sun musa suka sai da ta kusan jakabi har da wani abu to amma yanzu ga hadari da ishirin ɗari da goma har ɗari da talatin ƙoro ruwa sai ka samu cewa ke sai mu ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga mai koyi mai kowa wanda shi ke ka tsanani kuma shi ke ka sauki sai dai su manoma da sauran al'umma kuma sai zan mun tausaya ba kanmu da fatan kuma inda suka samu su tanada. bangaren faɗuwar farashin wake abu guda zan iya cewa mu dai allah ya kaddari wagga shekara Allah ya nuhima da albarkata kenan abin da nake kira ga al'umma shine cewa kada mu tashi a yanzu muna ganin muna da abinci mai ta ɗauka muna haita da shi muna saidawa ni dai a matsayina na mai saye in saida ko in ci in sha na ji daɗin haɗuwar wake ubangiji allah ya sa masu saye da sayarwa kada can gaba su yi ƙoƙarin cutarwa zuwa ga mutanen da ke zuwa kuma su sayi gare su. To, mu da ka saye ne yau da gobe muna ajiyewa muna ci zuwa gaba kuma da yanzu duk muna ajiyewa muna ci la sosai sosai mun ji daɗin haɗuwa ta hiye da ba azatu kuma muna nan muna ta sayi don mu wanga abu ma da an kai mai ana tare shi shina rashin hita ƙasashe na waje sosai mun ji daɗi wallahi da shekarar bana talaka abinci an Allah da bai bashi waya nan da ya ƙasa ga. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Gourouza. Bonjour Seno, bonjour Fanta. Bonjour Gourouza. Alors, euh, Gourouza, le Zumunta FC a un nouveau bureau pour euh, un mandat de 4 ans, n'est-ce pas en effet, l'élection a eu lieu dimanche euh, au Palais des Sports de Niamey et c'est notre confrère Mohamed Djingare qui a été élu président du bureau. Mahamadou Djingare est un ancien joueur du ZAC euh, et il est journaliste sportif. Le Zumunta est le premier club d'ailleurs euh, nigérien à atteindre les quarts de finale dans une compétition africaine. L'élection de ce nouveau bureau constitue un renouveau qui symbolise l'engagement du Zumunta à continuer de progresser. C'est également apporter une vision dynamique pour les prochaines saisons. Écoutons le tout nouveau président du ZAC, Mahmoud Djingari. Le Zumunta a élu en 2022 un bureau, mais pour des raisons professionnelles, le président euh, élu en son temps n'est plus disponible. Ensuite, les vice-présidents ont pris en charge la destinée de l'équipe et malheureusement, euh, les choses ne sont pas bien passé comme on le souhaitait. Et malheureusement, le Zumunta est tombé en deuxième division. On était en Super League la saison dernière. Donc, euh, après plusieurs réflexions, les membres du bureau, l'amicale des anciens des Zumunta ont estimé qu'il va falloir euh, faire une assemblée générale pour euh, mettre en place un nouveau bureau. Surtout quand on sait que l'ancien bureau, qui était constitué de 20 personnes, on a constaté que sur les 20 personnes, pratiquement tout le monde a quitté le navire. Il ne restait que quatre personnes pour gérer le club. Donc, euh, du coup, les gens se sont dit pourquoi ne pas aller à des élections extraordinaires et afin de trouver une équipe euh, qui va pouvoir conduire les essais du club à partir de cette année. C'est dimanche, l'élection là a eu lieu au niveau du palais des sports. Et parlons à présent de la lutte traditionnelle et nous allons à la découverte d'un jeune lutteur de l'écurie de Tilaberi. Oui, et Fanta, son nom est Salha Maman. Il a 24 ans et il évolue déjà parmi les professionnels. Salha est garagiste de métier, un héritage transmis par son père. Mais sa véritable passion, c'est la lutte. Il a commencé sa carrière de lutteur à l'occasion du sabre national de Difa en 2023. Il ne possède pas le statut imposant de Isaka Isaka, mais il est doté d'une volonté et d'une technique exceptionnelle. C'est son ami Anis Amadou qui l'a remarqué et la présenté à l'entraîneur de Tilaberi, le Wali Issoufou, qu'il a intégré dans l'écurie de la région. Et c'est dans cette manière, de cette manière, c'est de cette manière que Salah Maman a pu participer à sa toute première compétition de lutte traditionnelle à Difa. Le but de Salah, c'est d'offrir un jour le sabre à sa région Tilabiri. Voilà pour le sport. Merci beaucoup, Kourouzia. Merci. Et bonne journée à vous. Merci à vous. Chers auditeurs, poursuivons cette émission avec euh, le portrait du jour qui nous présente un jeune maçon, Abdulmoumouni Hamadou, âgé de 23 ans, natif du village de Karégourou dans la commune rurale de Bitinkoji. Il a commencé ses métiers en 2013 en devenant manœuvre dans la construction des classes par des partenaires. Oui, ses partenaires l'ont ensuite inscrit dans le centre de métier euh, du musée national Boubou Hamadou de Niamey. Aujourd'hui, c'est un maçon qualifié qui arrive à joindre les deux bouts grâce à cette activité. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. Voici son portrait. o wita kana abdulmumini hammadou o dow wodana ko watto duuɓi capanɗe tati o daɓɓo o juuta faa non fuu ɓaleejom o do ni fuɗɗana golle ñibdi cuuɗi illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e tati nder janngirde lekkol pamar kaare gooru caggal nde o tokkuno ñibdi cuuɗi ko projet ƴuwoyɗo leyɗe tubakoɓe wari waɗande janngirɗe lekkol nde golle projet on watoyno nden woni koɓe aadi yoɓande abdulmumini o nder nokkure to gollal jungo ekkintinte to hoggo wi'etengo musée national boubou hamma gallo ñamey abdoul momin woni fammini nimɓe no fuɗɗiri gollal ñebdi cuuɗi masnori min gaɗaman golle 2013 kam puɗɗingal o masnori leyi cour ami école carré goru projet gon wari ɗon endan ko ƴuuta leyɗi anasaraɓe on to wari waddi min cuuɗi e classeji ɗum min koƴa min ibrage e ɗum min golla sannan ko yotti yuti togon ceede mabbe jacci kwa e to ɓe jiɗi min nangodira gollangal huuɓa to gueɗe amin kay fu le majum boppi nga saabi cede gala donc min tokkiriɓe noon da fa allah waɗi gollangal huuɓi nden annasarajo on yi. o woƴi photoji o lildi o wito o wattan kam le équipe e maɓɓe o yara kam misé mi yahan waɗa formation man sako tan o wawta yuɓirde kam hakke an nder gollal fuu woni caɗale heppata nder mo misali rafi jottinal amana e nimɓe hokkoɓe golle ñiɓane amma ba ko noon da abdoul momin o ni no heɓa yottinde golleji nimɓe no haniri eno yiɗira to wallahi man sa ko ni sanaji gollida e mum sai ni munyal e e gollita ɓe aadila ko hakkunde moɗon gam may fuu to woni no yiɗi tawe mo gollita ono hooli ɗum ayi tawe ko waddi ɗum renama fa wooɗi may gidaji ko wayna darto kollayo aadilaku jogumo wadda golle woɓɓe du kay a yawtako ɗum e no joɓete fa jeeƴo ko kare goɗɗo du koma ɗum mokatama ɗum o oh, seni muñal modibo babaɗe no neɗɗo no laatiɗo gollal ferayere kaɓɓol jamɗe watta o dow gollidi tana e abdulmumin e nder wakkati ñibdi cuuɗi andir o wi'imo welti sanne yeru no kanko e abdulmumini golliditta ngam neɗɗo no jottino aadi wallahi golle makko e golle an kan jadata o gollami golla golle amin ɗiɗi ɗen kam latto gollal ñande min ma ko min piɓiɗi kan woni ɗume so heɓi contrat nde min heɓi contrat min kawta min gaɗa golle ɗen eh, o min jinggode eh, e joomum hollamin golle miɗen gollide ɓiɓɓe worawɓe miɗen gollide e janamɓe abada kanko ema nder ɓe dow filla yoɓa mi yoɓata ñande min ma ko min gondi o wujjatama mi wujjata gollal fuu wala ngal wala barke e ñibdi cuuɗiɗi ni abdulmumin hammadu o heɓi dewli no woodi dekiraaɓe ɗiɗo e cukaloy tatoy saabe majjum waɗi komo watta dande yahde e sukaaɓe ummatoore tinno ekkitaade gollal junngo ngam heɓde ñemminde ko woni mo waɗa Voilà, chers auditeurs, un là le portrait du jour. Euh, Poursuivons cette fois-ci avec de la musique et nous allons écouter ce titre euh, Bouge comme ça, chantés euh, chanté par le groupe de rap dit démocrates en featuring avec le feu Fanflex. C'est parti. comme ça bouge comme ça. Baby, écoute ça, bouge comme ça. C'est toi, c'est la tête, bouge comme ça. C'est du whisky au coca. Mix, le son, pour ma clique à 10 ans, pété quand ouais. Pour mes négros du rap pur du Comme dit ghetto, que mon corps va Détaché de l'underground avec Inansa Merci j'ai donné pour la halle du bon Aujourd'hui c'est la deux Tout le monde doit s'enjailler force Pas taquine, pas reste et mets le show à fond, sors tes nesses et bouge avec le beat, entouré de tes bouches et me prenez pour Jackson, le secret de la danse, route fait tomber les max, elle s'est zagano, compé, c'est wono, et go sauter les tricots, les côtés les wancho, j'attaque, et mbaka j'habita, j'attaque, bouge comme ça, non, non, non, non, non, bouge comme ça, baby écoute ça, bouge comme ça, c'est sous ma tête, bouge comme ça, à la fontaine de mon quartier. Je médite en solo, pas le petit qui de l'eau. Flex est un flipper, un de fais une balle. Passer du fait bengal à Cap Canaveral, à tous mes pères et mères à tout me faire et sous la terre mère. Protège nos arrières, la vie est éphémère. Je vis dans une poussière, je vis dans une fournaise. Oui, je vis à ma manière. Depuis les moments passés, classés, là c'est mon avenir hypothéqué par la pauvreté de l'impur. Au fur et à mesure, à tout la DG s'accélère pour nous autres les sarcasmes, mais trois cas. C'est quoi que l'on fasse, les fâches, le casse, l'autre fâche. Je suis le big du top, Robocop, paquet pas boîte, quand tu fais la Bouge comme ça, non, non, non, non, non, bouge comme ça, baby, ça, bouge comme ça. C'est soir, c'est la teuf, bouge comme ça. C'est du whisky au coca, bouge comme ça. Non, non, non, non, non, bouge comme ça. Baby, écoute ça, bouge comme go oh. uh. on. bouge comme ça, bouge comme auparavant. Oublie tout ceci, prends la vie du bon côté. Démocrate, pas de ça va faire bouger. Écoute-moi ça. Écoute-moi ça, je rappe pour la minorité. Écoute-moi ça, je rappe pour l'humanité. Bouge comme ça. Non, non, non, non, comme ça. Baby, écoute ça. Bouge comme ça. C'est soit c'est la te Bouge comme ça. après cette pause musicale, place à présent à la chronique Loti du jour qui nous parle des préjugés envers les personnes. Oui, Rakia Arimi et Samira Rouafi s'expriment sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. On les écoute. <laughs> kwese habsi mantise ni gusa ifuno ko ine guna ir kwese gunu we barawo ha ya ya marko windira ha hmm. igu habsu nigir kwai sabu mu ai goga salan ni se zagaye ni goga kabuno ni goga kabu bomboda go kabuno ma ya kan dirgo bisa dindi ba fofon da bon nim du sanni zufo kani ciya bon kan sibori nim mo da ke boraga za su su boni go wadin ga nim boragu ne nim ci haifo a wasir koisi mo da ke ai wal sig mo da ke borabu hai kan ai di dai go gaci hmm sintina ga dai go fono kan go fur barra wadin maga nina sai wai ko to hamsu da manti wai kuru tarai ifo no ga kwanda bor barra kwegde ngwari silman kaina kadi nigi ngi fugo ngwari dai yansi bari fo mo gono kan gonda ngwari kano wadi no ganan bogai ba diga ba hay fo ikoy gadai maze ni hage banda igne ga malku me nigdi bogai ko eno dini wat kul malku dai yangosi eh hamsu woy bor hanno kan ginga daraja bai asifuru barra wadin hinne ne gane nisi ko eno mo kadi ir godo bog fa kan di sonda kan se hinne ni di ga hamno bibig bibiriga tegasta nine aga hankwaya ganja na gahan mm -mm, mm masai sannai bare toifonon ne ne ha kan da siga ganja han to a follono zama da manti follo komo matano borg te ga hamni nan kalamu baya ne. wadi se deni gine mo dan yani mo da ke boga ga ha goje kan ni gogdi bog hannano wallahi so margino wa ai gine ni sai kadi ka senin da boga aran sigdi in dunya domo fu walmu ninda har kai si te kersi walmo mutkan ni woni go dibore ingo sig dibora ya dini mun to wadi no go bora te bor yamu wallahi nim digimo da ke bora gawo bori. miya ni ne mo da ke mo da ke to ki yaisi ifo no ni go mile din ne mo da ke zama ayo ai si ni san nayo ai si faham da mo da ke ndai giti nim dibora ni min la sabi fuente abande wadin mo amantikimi ni di wadin kul sikka yenno ko ina asibori nisba kai lokaci sambu nin bora bai gina ni ma da bai nin wo gaba da yano zadin di bora sadin da wani wo halin bora cew nin du ci yabo hey hamsu ayo haye kulkan ni goga kimanto wadin nofa zama ayo no dai di ka daidai sala ni gingine hay kulkan ni gaba ha kan ti dai nim sumo da ke bora bon halin mu du sanni ni zufo kan ni ci wadin no si bori wadin no ganan ba da bora gonda da hannafo nisidiya to son gungu di digni kul ken yigdi igum sobe gi sikka hankan igum mila da ma mila chimno wal tagino igum bogay gunanda mutuno dunya koida to ni bai ayo fulonno haya kan ay dini ga za sintinaga ngana igi mila kan chimino to nan ai mci nise sintinai follon diyan sinan nimne bogawo boga hanno wal bog yamono nan ai min fongan di kokor banda kan inda ni irkoy habu ni di we bok fode no ni togo mo da kya gani ne aga himcar kau ni ne mo kan aga ba ginin wa kan ga manu irga mu ni ba ga zugu kal aikan nin kan di ga gayi amma lokaco kan kina mani ir anin ga bomban gandi irga ik famu ga be kan visa wai bona ga ku ni se <laughs> to ni ga cim wadin na ga dai no ai hatta <laughs> hey fa kadi wadin na fa irkoy sai mu hambu irkoy mu cicimi watu kulu daga yanga nunugo dinna nim ne filan wo yacin no wiza mantiya no wadin wo sobo bo gati ni won no kaino ne wat kula godi kan kase ni gijiya inga ninga chofo yanga fegu windi kurara wadin mo ni mo da kyaga ne kan bako mbo asidwa aduwa wala manduwa <laughs> wallahi aduwa hmm, ma wani ni suba ma hawi koi ne tu wadin hinnano wadin teni sai do nai koi ni si ba bai wadin ga wallahi habsuni ga kyam son wo kan ne sanno taise insha Allah wa aiga kokari ga hayi wo kulna to amma da borga babur mana mu matano borga te asiga bu bokade nim buni lokacu nim bongo ne nindin mo nim di hankan kamata da wankan man kamata him ga zadin di boga nim wasu wasu gini a filano wo yakin nago wadun wo asibori nim boga bai gina hanni gini bilana wo yakin no a dago amma bonkan man goran da matkin se ni te gine a filano wo yakin dai nago nigi hingi darai ko ni ke bobu ni gati aini si. wallai ni gikim hamsu to ai kokari amma ni bai hayano man tifala rana go sadin da no ni fur hayara ni man babai Ya hmm, yadin no hankan boxing tun go kaddai su zamine ku sukan da wani diyan astar gana wal mu asiba ana ya dinga mu ko ka gidai nimin bondan nim dugin bogora hansa ne da bogai hmm. zamo ne ga hinkan da masala ne da bogai gama ga ba kulkan ma ni sai boga si maka ne bismillahi to insha Allah hamsu da irkwai ba ai gana mina ne ba mu feri da dai min Après c'est l'outil offert par le Desk Femme du studio Kalangu, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. kuna tare da alhaji muhammadu mai biredi birnin kwanni sosai ni ne mai shuraren su tun da tun daga karhe biyar da wani abu ina shuraren kwa zuwa karhe shida wallahi akwai abubuwa diya irin da kuna wayaya mutane da kanu na wasu abin da mutane ba su gane ba kuma akwai wanda suka gane wannan shi ne kawai kullum nake shuraren ku nake sha'awa wallahi na samu karuwa diya a bisa shirin ku gaskiya tunda akwai abin da nake ɗauka yana amfana da ni dubun gaisuwa da fatan alheri ina gaida eh, haruna mamman bako da ina gaida abokin arzikina shine alhaji wani a nan birnin kwanni ina gaida eh, musa wanda suke ce mashi musa mai nama ina gaida alhaji mamman sani tayar na gode kwarai radio studio kalangu ni sunana usman barte ni na majar yan gidan likitan masallata to lalle ni dai alhamdulillahi mai sararen shirye-shiryen studio kalanguna kuma lepili suvan dai ina sauraren shi da marece don lokacin kama aiki ya yi mini sauƙi kwarai da gaske kenan ina amfani da watan dama in tsaya in saurara to lalle dai shirin da nake saurare shi na shiri na kama sana'a kamar mutane a yi sana'a a daina zaman banza irin haka nan lalle muna jin ra'ayoyin al'umma suna faɗi mu ma sai muna ce inda ga dama mu ma da mun samu mun faɗi namu ra'ayi kan wannan wanda za mu gaidawa shi na yawanci muna samun 'yan jarida suna kawo mana ziyara nan gama na gidan radio niya fm in mun ka ɗauki misali akwai asuman musa arzika asuman shi na zakuwa shi tambaye mu kakami an matsaloli gidan likita mu ya kamata a samu a yi a gyara kuma wani koke gare mu ko wani waɗaka suwa gare mu zuwa ga al'umma ta yanke mu nan cikin masallata sunana mahmud ana nake tsakiyar birnin maradi na nan kasar matanar jamhuriyar nijar ra'ayina akan studio kalangu shirin ra'ayin nan na tattauna na muhawarori da ake yi wannan yana nishadantar da ni kuma ana faɗin abin da ƙasa ke bukata da yawancin al'umma wanda suke bukata na samun yanci da sauran kwanci hankali da nishaɗi ba tare da bata lokaci ba na gode allah ya tsari allah ya sa alkhairi allah gaskiya yana gaida shugaban mu jagora wanda muke sa ran tsakani da allah yake yi a matsayin shi na mai kishin ƙasa president chani Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voilà, chers auditeurs, euh, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Ali Moukela alias Seno et Fanta Chamsou. À la technique, c'était Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.